ravie de vous retrouver sur votre émission des jeunes de fatan inda wannan zai tada matasa kai je connais même certains qui mangent boivent et fument le football Selon le classement de la FIFA d'août 2021, le Niger est 29e en Afrique et 117e au niveau mondial. Il a régressé de deux places. Au mois de mai, le MENA est classé 26e en Afrique. Revenons sur un des rares moment de gloire de notre football en octobre 2017, le magazine France Foot dédie un article à la qualification du MENA à la Coupe du Monde U17. India. Le MENA Junior, dirigé par Soumaila Tiemogo, un ancien capitaine du MENA Senior, est la première équipe nationale du pays à prendre part à un tournoi euh, de la FIFA. Bayan Mohi de Nigeria, Banzara de a Gabon. En Inde, on gagne la Corée du Nord avant de perdre face à l'Espagne et le Brésil. Pour rappel, le Niger a participé à deux Coupes d'Afrique des Nations en 2012 et 2013 sous la conduite de l'entraîneur Haruna Doula. C'est la boule au ventre que les supporters suivent et attendent les résultats des matchs éliminatoires du Mondial 2022. Namata Cannes, Maroc 2022. C'est ça, non Voilà. ne À ce rythme, où est-ce qu'on va Musique, rubrique et la chronique de notre chroniqueur Olivier, bien sûr, seront également de la partie. À cette fois-là, que nous avons installé au stade général Sénoukounché, euh, on ne peut pas trouver meilleur cadre hein, pour parler du football <laughs> ici à Niamey. Nous sommes avec Abdul Malik Koudizé, lui il est CAF Media Officer. C'est comme ça qu'on le dit Hakane. Ça va Exact. Ok. Barkan c'est un jour tous à la fada. Nous sommes avec Abdulaziz Isaka. Il est journaliste sportif. Aziz, ça va? Ça va, ça va, Merci, ça va. moi, fada, wana tada Noureddin Awade. Noureddin Awade, il est très branché sport. Il jouait, yanzu, yana tarada. Da abun akache harkan sport day. J'ai que ça le touche. Noureddin, ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Oui, ça va. Super. Nous sommes avec euh, mon grand frère Mokhtar Garba Bombardo. Il est ancien international. Il a porté euh, le maillot du MENA ça va, Mokhtar Oui, ça va. Yannick, pendant combien d'années Oui, bon, 6 ans. 6 ans Oui. Ah, c'est pas rien, hein nous sommes avec Taïrou Seydou Abdelnassirou, c'est ça hein Oui, effectivement. Toi, tu es conseiller et agent de joueur. Oui, oui. voilà, ah, ah, donc on a ça aussi. <laughs> eh, c'est chaud, hein kafa dai ya huta sai a hankali Direct, je vais à ma première question. Je viens vers euh, toi. Tu es T'es vraiment à fond sur tout ce qui est sport. Comment tu trouves la situation du football nigérien Ce que je peux dire, euh, la situation, si vous voulez, globale du sport au Niger en général et du, football, c'est vraiment criard. Yakamata, Moussea, Moujiba, Abunda, Mouchenange de Beichoba, parce que un Angé, mabaya Goma en Ansanda, un, un, un Bogobalo, Souni Kokeri, da yawa sun abubuwa da yawa da sun yi sun niger sun hakaf sun Chan, shan mondial yanzu qu'est-ce qui ne va pas sun yi kaman basuba. su ba problem la base balon inda ta kai ba balo ne ta wasa a buga a wase kowa je gidansu balo ta zama industry Company ne yanzu an bar a buga balo kowa ya je yi wanka ya shiga harkan sha. ya huce passion ya huce passion yanzu c'est une profession c'est une carrière donc vraiment il faut attaquer le problème à la base Niger shekaran hamsin da biyar muna da indépendance depuis 60 ouais. aujourd'hui ça fait 61 ans Jusque-là, on n'a pas de centre de formation de football. C'est yara Sugamu, gamu su balo akwai wani coach ya musu magana kuma ya kare Awach, watch. Haka ne kuke so ku Mali koku Côte ci d'Ivoire. Mon ga yanda aka yi shekaran jiya. Eh, kannunmu abun ni dai m'a pas choqué. Okay. Eh, parce que je m'attendais à cela. Duk wannan abou on doit se poser des questions. Ya ne aka gane maka? wannan abin sai an tsaya an diba shi a tout le sérieux qu'il faut voilà sai an bashi muhimmancin da ya kamata kama an da aka dauki balo a Cote d'Ivoire plus loin même a Brazil mhm. haka ya kamata a ce mun dauki balo muna so kuma mu ma abin namu ya ci gaba okay na gane zancen haka please quelqu'un pour m'expliquer comment on arrive à cet exploit à la Cannes U17 kuma bayan wannan kaji kawai kamar ba a yi ba kudi zai gare ka in an ɗauki yaran nan da sun kai mondial ni ina cewa na samu sa'a na bi su tun baya mm. yaran nan da 2017 sun kai kan insu shekara biyu ta baya sun ka fara shirye-shiryen abubuwan ba kai tsaye ba ne irin wannan ba kai tsaye ba ne eh. an 2016 an na avant yawancinsu yara ne da suke cikin centre de formation game na kulobobi nan ga wanda suke su a yira academy su ne aka tattara sun ka zamna a nan ga fenifut Ces enfants sont restés pratiquement un an ensemble. De Nigeria à Kahara. Ils ah, ont éliminé Nigeria le Nigeria qui était champion du monde en titre. Tinwana, oh de Gabon. Nanga sont Kachisu de Horko, sont Gabon, sont après, en Coupe d'Afrique ils se sont positionnés à la quatrième place du continent. Donc, à la Coupe du Monde, ils étaient parmi les quatre pays qui ont représenté l'Afrique. T'arrêtes de, de, Guinée, de Mali, de Ghana, parle, de Niger. On dirait que c'était dans un rêve, quoi, ou un film fiction, je sais pas quoi. Yarana En principe, y a une visibilité. y voyage mondial, Inna. Yarana. Eh, a can kasashen turai baka iya sinyan yaro avec un contrat professionnel quand il a hmm. moins de 17 ans donc babban matsala da sun ka samu kenan club bus iya sinyan su can take yanke ya eh. kamata su bi su an nan inda sun samu 18 ans dan su samu su sinye me yaran nan namu shekara daya ka bi su daga baya ina suke su da kansu cikin kanunsu ina suke mutum ya aza yayi mondial ya aza abun ya isa ya yi abun da kowa bai yi ba abun ya ishe shi me ya kamata a ganka a fure ya kake kullum mm. ina za ka gansu tun da yawancin sun ki su zamna cikin kulobobin Niger sun ce sun yi karhin Niger ba su iya buga cikin kulobobin Niger ne karkizon eh? da sun kai saura su sun kai exile shekara biyu sun kai kan wasu yanzu har yanzu na cikin manya me yawancin su nasiru zai zai gaya shi yadda ya kamata cikin kanunmu ne yara ba su sa akan akan su ba da balo aiki ne zan dawo wajen ka muktar Bambardo, kai dai wannan football kin da kayi shi kuma kayi shi kamera shi aiki hallo haka shi nesa a cikin shi kin haku kai abin a zo a gani menene aka muku menene ya faru da haku kai wannan nivo kin da yanzu babu shi ba nan ganin shi to da mm. da ake balo selection kin da ake yi c'est vrai ba fils de line yin shi amma au moins cikin équipe kin 70% en sont da vraiment sous mérité ne Ok. Kahin yaran ga su mondial 2017, hmm. les premières personnes à qualifier le Niger à une phase finale de Coupe d'Afrique, c'était nous, en 2009, avec Frédéric Acosta. ok C'est comme l'a dit Koudizé. Avec Fred, parce que nous, on a eu la chance, nous a joué championnat. on a joué championnat et en sélection, moins de 17 ans, mon a mm. Déjà, on a l'expérience on a le vécu. On a fait plus de deux ans avec lui. On n'était pas interné. Hein. Amma au moins chicken wata hmm. yana dauke mu semaine guda 10 jours. A aiki. A aiki après a saki kowa in kana da match weekend ka tai ka jouer. To tun bayan wannan an ta bon mun samu quelques problèmes wannan kowa ya sani après deux ans an yi sanction mu deux ans. Hmm. Mun yi deux ans ba mu yi compétition ko mun yi rechite comment. Komi ya hada. Komi ya hada. Et même après mun zo mana éliminatoire na manya 2012 niger mun tai coupe d'afrique mana mm. e mana ah oui, c'est vrai na gagné shi d'Afrique du sud de sierra leone Munchi Égypte. en ce temps Égypte va quoi ne ke yake egypte nan ga Munchi afrique du sud Munchi sierra leone hmm, après mun qualifié mun tai kan eu matchs trois défaites un but pour mun l'année suivante mun qualifié coupe d'afrique comment ouais. match aller retourner contre euh, guinée Chanson sun ki mu 1 0 nan ga mun zo 2 0 qualifié mun tai can kuma c'est toujours euh, les mêmes histoires mm, ouais, donc euh, vraiment football qui Niger, c'est à revoir. Je vois bien. Je vais revenir euh, parce que là, à t'entendre parler, c'est comme si vraiment, muna da juwar kwarari ko mun yi zama da kwarari ba su samu kulawa ba zancen na yana nan ga hitowa sannu sannu amma kan in ci gaba da wannan hira zan leƙa bangaren don cikin rubrikin shi da waye hira et on se retrouve juste après sur tout ça la fada ça va, tu vas bien Ça va et toi Ouais, c'est bon, c'est comme ça en fait. Euh, aujourd'hui, les jeunes qui kiffent cette émission, ils vont savoir tout sur Rakiat. Rakiat, parlons de l'artiste. Qui se cache derrière Rakiat Bah, Rakiat, c'est moi, tout simplement. Ok, d'accord. Artiste nigérienne alors, euh, je suis née au Niger. Née au Niger euh, Oui, à Tawa. Ok, à Tawa. Ensuite, j'ai été euh, mis en orphelinat à Niamey. Mhm. et ensuite, j'ai été adoptée par une famille française à trois mois à trois mois. On va donc parler de tes origines sur cette émission. Euh, certainement, ils sont nombreux qui nous kiffent depuis Tawa. Tawa, c'est la capitale de l'ADR. Tu parles de langue du Niger Je parle aucune langue, mais je Tu ne parles pas le Hausa euh, Non. Si je, te dis Inakwana, tu n'as. Non, je parle que. Inakwana, ça veut dire bonjour. Alors répète avec moi Inakwana. Inakwana. <laughs> Super. Alors on va parler bien évidemment euh, de requêtes à l'état civil. à l'état civil, je m'appelle Anaïs quoi Ok. C'est le nom Anaïs qui m'a été donné quand je suis arrivée en France. Ok. Et euh, je suis né le 7 novembre 95 à 23h05. Ok. Ottawa. Ottawa. un mercredi. Un mercredi, super. Alors, euh, Rakia, pourquoi Rakia Rakia, en fait, c'est le nom de ma naissance, c'est le nom qu'on m'avait donné à la naissance. Ah, d'accord. Et ensuite, quand j'ai été adoptée, euh, mes parents ont changé mon prénom de Rakia en Anaïs pour que je m'intègre en France. Et donc voilà, et j'ai repris le prénom Rakia pour faire ma musique parce que dans ma musique, je parle beaucoup de mes racines, je cherche mes racines que je ne connais pas. Donc du Anaïs à Rakiat. Voilà. Le nom artistique, c'est Rakiat, le nom qu'on t'a donné à la naissance. Ouais. Super. Alors on va parler un peu de tes débuts, on va parler un peu de cette musique, on va parler bien évidemment de tes œuvres artistiques sur cette émission. Mhm. Quand est-ce que ça a commencé véritablement, la musique chez toi euh, Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'ai commencé à faire de la guitare. 4 ou 5 ans Ouais. Et tu as débarqué en France euh, déjà à l'âge de 3 ans À 3 mois. À l'âge de 3 mois Oui, 3 mois. Super. Mes parents adoptifs m'ont inscrite euh, à l'école de musique. Ah, ok, d'accord, super. Euh, à partir de cet instant, tu te rappelles un peu de tes premiers flots quand tu avais 4 ans euh, non, je sais juste que j'étais dans une toute petite ville mhm. qui s'appelle Flair, Flair, en Normandie. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de personnes noires, etc. Ok. Et je me souviens juste que j'ai commencé la musique parce que je sais pas, ça me plaisait de chanter, de de faire de la guitare et c'était me donner de la force. La force, et le courage et l'énergie. Ouais. Super. Alors Kat, parlons un peu de, tes origines, euh, du sens inverse de l'artiste. Ouais, en fait, euh, j'ai été euh, donc adoptée. ok Et j'ai été élevée par une famille française. ok Donc j'ai été complètement assimilée à la culture française, tu mhm. vois et j'avais aucune personne noire autour de moi, etc. Ok. Donc j'ai un peu subi du racisme quand j'étais euh, à l'école, etc. J'ai toujours cherché mes origines d'une certaine manière, tu vois, euh, je suis Touareg, mhm. et euh, j'ai toujours les Touareg jouent de la guitare, tu Bien sûr, ah, ça c'est vrai, tu, as, <laughs> tu, as, comment on dit, la musique dans le sang. Ton genre musical, Rakia C'est de la chanson française, avec des touches électroniques et afro. En fait, j'essaye de mélanger l'Afrique et l'Europe avec ma musique, et voilà. D'accord Parlons un peu du parcours en question de la combattante. Ouais, j'ai commencé euh, vers euh, 4 ans à jouer de la guitare. Ok. Euh, parce que mes parents euh, adoptifs euh, m'ont inscrit à l'école de, de, musique dans ma ville. Okay. Je viens d'une toute petite ville en Normandie qui s'appelle Flers, Flair. où il y a vraiment que, tu vois, c'est que des champs, des champs et des vaches. Ok. Et du coup, j'ai grandi là-bas, dans la campagne. Ok. On, on dit dans, dans, un petit bled aussi. On dit ça en France. Ouais, bien sûr, dans un petit bled. J'ai grandi dans un petit bled. Ok. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des chansons euh, à l'adolescence. En fait, j'ai toujours écrit plus ou moins des chansons, même quand j'étais petite, j'écrivais des chansons, tu vois. Mhm. Mais euh, je, prenais pas ça au sérieux. Et puis, tu vois, comme je viens de la campagne, je pensais que c'était impossible de réussir dans la musique euh, en venant de la campagne. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à faire des chansons vraiment sérieusement en 2015. 2015. Ouais, quand j'ai commencé à faire des concerts, des premières parties d'artistes comme Ayo ou Imani ou Yael Naïm aussi. Donc tout a commencé véritablement pour toi en 2015. Ouais, exactement. Tu as resté ton premier single en quelle année euh, le premier single, il est sorti euh, là, euh, cette année. Cette année Ouais. 2015, tu te rappelles de tes premiers flots Mes de premiers flots Ta première scène Ouais. Et je, et je C'était quoi ta première scène C'était au Cargo à Caen. Au Car Ouais. C'est où Carouaca Le Car Caen, c'est une ville euh, en Normandie, c'est la grosse ville, euh, tu vois, qui doit faire 200 euh, 000 habitants. Mhm. Et le Cargo, c'est une salle de concert où il y a plein d'artistes connus qui passent. Ok. Et moi, je faisais les premières parties des artistes connus, en fait. Retour donc à la racine, comme on dit, parlons un peu de ça, parce qu'à travers déjà des interviews, n'est-ce pas, sur ta page Facebook, nous avons constaté un certain nombre de choses. Alors, comment est-ce que tu comptes faire Comment est-ce que tu comptes tourner au bled, on dit, c'est quoi ta stratégie Bah en fait, euh, la musique, ça m'a permis de me retrouver euh, en tant que personne noire, tu vois. Uh-huh. Dans ma musique, quand je joue de la musique, c'est très vite rythmé. Je tape sur ma guitare, etc. Uh-huh. Par exemple, j'ai un morceau qui s'appelle Ma prière, sur lequel je frappe sur ma guitare. Uh-huh. En fait, la musique traduit mon africanité. Et euh, j'ai jamais été en Afrique et je rêve d'y aller. Et ça s'est pas fait parce que avant j'étais en études, après je faisais des concerts et puis tu sais, j'ai un peu comment dire, euh, peur d'y aller parce que je sais que ça peut être magnifique hein et aussi euh, que ça peut être terrible l'Afrique. Bien sûr. Et euh, du coup, j'ai jamais eu l'audace d'y aller toute seule et je connais personne là-bas. Donc du coup, pour l'instant, je suis jamais allé en Afrique, mais je sais que ma musique parle aux Nigérians hein et même aux Africains en général. Je reçois beaucoup de messages. merci d'ailleurs pour tous vos messages. Est-ce que Rakia a un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne Un dernier mot de tous qui kiffent cette émission bah, Surtout, n'abandonnez jamais quand vous avez des rêves. Quand vous avez un souci, essayez de trouver la racine du mal. Et c'est là qu'on trouve les solutions et la force qui donne envie d'aller de l'avant, de créer des choses et de devenir soi-même. Tout simplement. Ainsi parle Rakia. C'était la machine. On revient à la fin aujourd'hui, les questions du football. Aujourd'hui, la FADA parle du football nigérien. Comment ce sport évolue Qu'est-ce qui se passe Comment ça marche maintenant Et où est-ce qu'on va ina ne football Il y a muna tare da lui il est officier euh, média à caf Abdelaziz euh, Isaka, journaliste sportif, euh, Garba Mokhtar Bombardo, lui il est ancien joueur du MENA et ancien international. Voilà. Nous sommes avec Noureddina Awade, Tahirou Seydou, Nassiroui, le conseiller agent de joueurs. Dans un cas direct, Tahirou, allez entendre parler wanda suka iya buga balo et eh, non c'est vrai tout ce qu'ils sont en train de dire là je ne peux que confirmer donc, on a vraiment des joueurs mais oui ils sont là ils sont potentiel là mais qui n'est pas euh, pris en charge. Des, joueurs incroyables. Des joueurs incroyables. Au Niger, il y a des joueurs incroyables. Mais seulement, ils ne sont pas dans les conditions réunies pour pouvoir s'exprimer. Pour qu'un athlète puisse s'exprimer correctement, il faut qu'on le mette dans les conditions. C'est trouver les bons contrats. Si je suis ici pour vous parler de cette manière, c'est peut-être parce que moi-même, j'ai été victime. J'ai été victime. OK. Donc, je me suis lancé dans le management de joueurs, sans pour autant savoir les coulisses. Du coup, j'ai voulu faire signer deux ou trois joueurs euh, au niveau de, la Tunisie. Et Et c'était rien de méchant ou bien c'était c'était pas compliqué. Le joueur que tu vas présenter au niveau du club doit être performant et c'est lui qui fera le nom que tu vas ensuite continuer. C'est-à-dire si lui tu le présentes face à un club et qu'il te il déçoit le club, toi en tant qu'agent, tu ne seras plus crédible. Ah ouais. Mais oui, c'est vice-versa. Ah, Il va de soi. Ah Donc, du coup, moi, je me suis spécialisé, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi eux, pourquoi pas nous ouais. Ce sont les questions que je me suis posées. Et je suis allé, je suis allé un peu partout dans les... On appelle ça dans le jargon Niamaise chef, mm. c'est-à-dire les rencontres qui se passent chaque soir au niveau des quartiers. Ok, C'est quand j'ai commencé l'étude. Ok. Eh, on a vu un peu les chefs, eh, les, les, les, comment on appelle, euh, les maracana, les championnats maracana qui se passent, euh, les tournois de grandes vacances. comment est-ce que tu peux expliquer que un tournoi de grandes vacances qui se passe peut-être euh, dans les 12 mois c'est dans les trois mois que ça se passe, puisse réunir autant de supporters que le championnat nigérien. C'est insensé. C'est vrai, hein C'est insensé. Ouais. Le match RCL contre truc là, vous avez vu le match euh, au stade municipal, on aurait dit Olympique contre Sahel. Même Olympique contre Sahel maintenant n'a pas cette audience kenan kana so ka ce kamar juwar kin da suke cikin unguwanni matasa sun mahi yarda da su sun mahi sha'awar ma balikin nasu da wannan da ake na ana oui, c'est parce que c'est parce que beaucoup de Nigériens se sentent frustrés ils sont frustrés parce que eh, le, le MENA qui sont en train de nous montrer n'est pas l'image du vrai MENA nous savons que nous, nous avons des talents qui sont là eh, sun yi girma sun yi mata jigina ya sun huce nan sun huce nan wa'anda ake nan le talent est fini en eux ils sont redevenus des mécaniciens, des menuisiers. Il faut qu'on se dise, non, il faut qu'on se dise la vérité terre à terre pour que les choses puissent changer. Non, non, non, je ne partage pas cet avis-là akwai duk wanda suka yi magana ha'i magana su awade su malik su nasiru su bombardo ils ont touché du doigt réellement le problème en fait. Mm. Euh, vous savez le problème du, du, le problème du Niger c'est que c'est c'est c'est l'industrie qui n'a pas pris en ouais. réalité euh, euh Kassouan baloni mm. baby ba au Niger. Wallan kafa ba. Ba mai rashi ba kasuwanci ne eh kamar inda aka mai rashi kamar su Nigeria a su Cote d'Ivoire haka voilà, mis sur pied au Niger. Et c'est ça qui fait toute la difficulté. Et Kassouin aujourd'hui, c'est ça qui fait le football. C'est ça qui pousse les clubs à former d'abord les jeunes. C'est ça qui pousse les joueurs à donner du, du soi pour apprendre à jouer au football. Si le business avait pris, on aurait des joueurs de, de, grande qualité. Aujourd'hui, les joueurs que nous disons de, qualité là, en réalité, c'est une qualité relative. C'est des joueurs de qualité au Niger. Mais quand on va les confronter aux joueurs euh, des autres pays, on se rendra compte que euh, véritablement au Niger, euh, le niveau du football reste moyen. Et pour que le, Niger soit compétitif face aux autres nations de football, euh, face aux autres pays de football. Il faut que l'industrie du football naisse au Niger. Non, mais on a quand même des sociétés. On peut pas me dire que toutes ces sociétés, leurs responsables ou leurs propriétaires ne voient pas clairement que si tu investis dans un joueur ou dans un club, que ça peut te rapporter gros. On peut pas me dire ça. Donc, le problème, c'est à quel niveau, en fait C'est d'abord un problème culturel. Nous n'avons pas la culture du football d'abord à la mhm. base. Maintenant, le football a évolué, c'est devenu une industrie. Nous n'avons pas suivi derrière. Donc ici encore, nous sommes à retard. Nous ne suivons pas tout de suite. Beaucoup ne comprennent pas que on peut investir dans le football et gagner quelque chose, peut-être. Et d'autres ne s'intéressent carrément pas au football, donc ils ne peuvent pas investir dedans. En fait, c'est ça qui cause le problème du football. Compléter Aziz, uh-huh. parce que c'est les exemples qui parlent souvent. Je prends Juste un exemple tout banal. Ces dernières années, s'il y a un club nigérien euh, euh sur la scène continentale, on retiendra tous que c'est l'AS Fan. De Teshigaha, phase de groupe de euh, Coupe de la Confédération africaine en 2010. Watcha équipe de fan, un an auparavant, elle a sorti un joueur qu'elle a vendu. C'était Mazou. Et en rien qu'en termes de retombées, l'AS Fan s'est tapé pratiquement plus de 300 millions de francs CFA. Avec ça, Suni Terrain, c'était pratiquement l'un des premiers, sinon le premier club de Niger da yana da terrain gazonné, na ta na kanta. Chicken club chicken kudin nan Chicken kudin na kuma sun kai recrutement un an après son kai coupe nationale son kai coupe CAF son ka phase de groupe une cin phase de groupe kuma zarmen zabarman kiyana ke zugulono. Hmm. Kenan c'est l'exemple pour dire une des ka yarda ka yi investir euh, balo hmm. ba fight. Mais akwai kuma eh, wata realite da take nan malheureusement wajen dirigeant de club yawancin joueur eh, nasiru ajan ne peut-être bai samu difficulté nan ba mai ya same ta gaba to wutar sai la mentalité na mutanen mutanenmu da suke gaban club joueur ne zai samu contrat na kanshi club ya ce kudin bai isa ba ko a kara mishi an gaya muku yayi da joueur mun ka samu qui ont eu des opportunités su signer mais soit ko club in ya ce kudin bai isa ba ko su ce a ah, yaro bai ya yi ba tunda suna da muradin shi mais en termes d'indice nous sommes le dernier en, là dans le monde mutum ko ko ya ketare ƙasa ne ya ci gaba in ya ci gaba kuma can in yayi ya iya kuma ƙara ci gaba zai yi ya mm. kamata mutanen mu su har ganewa da ɗan balan mu in ya samu huta a bar shi ya tahi a bar shi ya tahi in ya tahin nan Tout le monde gagne quoi. Exact. Jean-Michel Cavani, l'entraîneur du Niger, a réagi. Euh, J'ai 35 ans de métier d'entraîneur. J'ai 12 ans de métier de footballeur professionnel. Je peux vous garantir que c'est pas facile de jouer contre des joueurs de très très haut niveau. Mais si vous naviguez à vue en voulant faire jouer des joueurs qui vous plaisent, qui sont des amis de la famille ou je ne sais quoi, pour faire une équipe faire mettre des joueurs tout le temps qui sont âgés parce qu'ils sont là, ils sont des références, vous ne construirez jamais un avenir pour le Ménin. Moi, je pense qu'il y a une pépinière qui est assez jeune, qui arrive. Ce sont les 20 ans qu'on fait la Coupe du Monde, les 17 ans. Voilà, ça, ça c'est avec ça que vous allez construire l'avenir. Parce que s'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde par le passé, dans leur catégorie, c'est pas le fait du hasard. point de par à point de presse comment gani yake so yi mun kamar ruwa bisa mai in kun diba cikin su akwai ruwa da dama plusieurs pays ont eu à remercier leur, leur coach pour les mauvais résultats et wannan coach mena ai yana Niger ya kai wata shida ina ji parce que il a joué contre la Côte d'Ivoire mm. baya wannan yayi sélection ya je har Dubai pour préparer les jeunes là daga ya da Dubai ya zo yayi match biyu ina ji da Sudan aller retour Du can ça va bayan wannan ya buga da Burkina sont 2 euros. Douka, ça va. Il y a Yabouga de Djibouti, Montisou, 4 à 2. Jusque-là, c'est bon. C'est des eaux. Maroc, Mumbouga de Maroc. Maroc est 6 à 1. Algérie, autant pour moi. Avec les mêmes joueurs, hein, avec ça, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein, avec les gars. la même équipe. Ah, un team, 6 à 1. an aka dawo mon 4 à 0. zero yanzu ya kamata shi ya hudda kan shi cikin abubuwan si on doit mourir avion kamar avion ne in y a crash babu wanda yake class affaire ko vip crash ne crash ne kana cikin istafkin an ci mu aller-retour on a encaissé 10 buts et on a marqué un but donc il faut t'assumer et arrêter les ah, débats a gaba a gyara gaba tunda abun da ya hodi kamar yana so yayi sai mai confusion ne kenan shi kwacin ba laihin shi ne yana so gara mun a ah, laihin ba wajen shi ne ba laihin daga selection ne qui sélectionne oh. c'est le président eh, de la fédération qui sélectionne ou bien l'entraîneur le sélectionneur national kuma na biyun abun da yayi munu rainin wayo da yayi munu baka iya défenseur defensor goma sha biyu kuma ka sa guda sauran ka sa milieu de terrain ba ban ba mu yi karatun balo ne kana doke mu kaman shashasha il doit partir à bas les entraîneurs locaux chance kan mu ban le collectif euh, des artistes nigériens qui ont chanté pour galvaniser le MENA l'équipe nationale et on se retrouve juste après sur la fada l'ouest. Le chanson du MENA. Aujourd'hui, euh, il est question du football. On évolue comment Comment ça se passe Où est-ce qu'on va On est avec euh, des anciens joueurs, des journalistes sportifs, des passionnés du football. Nous sommes avec des agents de joueurs. Aujourd'hui, installés au stade général Sénoukoutier. De quoi a besoin le football nigérien aujourd'hui de quoi a besoin le football nigérien Abdelaziz Grega. En un mot, on dira que le football a besoin que nous revenons véritablement à la base, retravailler, qu'on accepte de mettre les moyens qu'il faut et qu'on fasse le travail qu'il faut avec la patience, on arrivera. kudi ya ne za a yi abun da dan abubuwan su ci gaba abun da hmm. cikin turanci yana cewa politique national de sport ya kamata kasanmu bata da ita har yanzu ya kamata kasanmu Musamu politique nationale du sport du développement du sport Chikin ga yanda ake ga inda muke ga inda muke so de par ton expérience de par ton expérience du terrain de par ton expérience à l'international de quoi avons-nous besoin à ton avis c'est comme l'a dit Abdelaziz uh-huh. Niger football et mon yanzu il faut commencer à la base menene à la base les U13, U14, U15 qui n'ont. A kama Moussou, comme ça se doit. Après, suna Azo, in sun suna équipe A, suna balo comme ça se doit quoi. à l'heure là, personne ne quoi. Je vous assure la dernière fois na stade match Sonidep de Sahel. Wallahi kwana nake stade. tellement que c'était pas joli à regarder quoi. Donc ah. football à la base sun so bu su so il faut mu koma can sai an yi ilimin football sai an yi karatun football a fara dole ne wannan abun da kudi zai gai yanzu da sur la subvention da ake ba clubobi in championnat na hara mm. Cote d'Ivoire kin san in championnat na hara nawa ne ake ba club 80 millions par club en deux tranches ne ake pas et puis un matin sun kai balo elles sont même à féliciter c'est vrai en qui sont ga 9 à 0 11 à 0 mais mu yanzu ne mun hara. yanzu dai kan yi ban kwana kwata kwata da wa'annan wanda muka gayyato yau za mu ba Olivier dama yanzu muna da chronique shi et Mushi notre produit web qu'est-ce qu'il a pour nous cette semaine et on se retrouve juste après Amis, auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. Dans l'espoir que votre semaine a été fructueuse, je nous souhaite un excellent week-end. Facebook, la maison mère du réseau social WhatsApp, change de nom et devient désormais Meta. Ce, depuis le 28 octobre 2021. Quelles sont les conséquences de ce changement de nom C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Ce 28 octobre 2021, le fondateur du groupe Facebook, le majeur des réseaux sociaux, a dévoilé dans un post le changement de nom de son entreprise. Dans ce post, il a été très explicite sur les raisons de ce changement de nom. Et à voir de près, ce ne serait pas seulement un simple changement de nom. C'est désormais un changement d'univers, des ajouts de fonctionnalités, un changement de modèle de navigation et au-delà de tout ceci, un changement de comportement au niveau des utilisateurs. D'abord, à travers ce changement de nom, le groupe Facebook informe ses utilisateurs que désormais, ils peuvent utiliser l'OP dans un univers immersif à travers un avatar. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter du contenu texte et multimédia, non, avec le nouveau méta, vous pouvez vous déplacer avec votre personnalité virtuelle pour échanger, se distraire, jouer, participer à des réunions ou encore faire des achats. Oui, pour les amateurs de science-fiction, c'est fascinant et en même temps passionnant. Ensuite, ce changement de nom occasionnera de nouvelles dépenses comme des casques de réalité virtuelle par exemple et bien évidemment des frais de connexion Internet beaucoup plus élevés. Amis auditeurs et auditrices, le monde des réseaux sociaux qui devient de plus en plus invasif aux yeux de certains, pour cela même cette évolution pose des questions réelles de dépendance vis-à-vis de ces outils digitaux. Mais comme le dirait un penseur contemporain, on n'arrête pas le progrès, on s'y adapte. Et moi, je conclurai cette chronique en disant, à l'ère de la révolution numérique, les machines et l'algorithme ne sont pas les maîtres du monde comme nous le croyons. Tout dépend de ce que nous en faisons. Ne dites plus Facebook, dites Meta. C'est la fin de cette chronique. On se prend demain avec une nouvelle chronique et comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. Bye bye. Merci bien Olivier. On revient à la Fada. C'est la fin de tout ça, la Fada française. Nous étions avec des jeunes euh, très très très engagés euh, football, très euh, passionnés par ce foot. On parlait de l'avenir, notamment de notre football. Où est-ce qu'on va Nasser, je le sais parce que tu es agent de joueur. Et Nasser, comment conclusion kin wannan ta da dai hankalin mutane dai Bon, en tout cas, ce qui est sûr, euh, nous avons commencé à poser des actions. Et c'est seulement en posant des actions que les choses vont changer. Et il ne faut pas seulement venir sur euh, là où on peut t'entendre critiquer, faire des critiques qui ne peuvent rien engendrer. Nous, nous allons poser des actions qui vont faire en sorte que si le niveau du Niger est de 2%, nous allons essayer de ramener ça à 10 voire 15%. Au moins, nous jeunes de maintenant, on fera en sorte que notre impact soit ressenti. Donc, nous avons beaucoup de plans, Inch'Allah. Voilà. Ils ont plein de plans pour euh, ce foot. Ils croient en ce foot. Euh, et on va croire avec eux. On va continuer à encourager euh, nos joueurs qui nous représentent. et euh, on se dit officiellement au revoir bye bye basu kan wannan shirin namu sai mu ce a huta lahiya gobe za su ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na dondi zan san ce kan hanyoyin da ya kamata a bi dan dai a ce wannan football kin namu an samu ci gaba a cikin shi sai mu ce a huta lahiya